Alors, euh, bonsoir tout le monde, je suis M. Euh, Monsieur Mohamed Faloussen, président du comité scientifique du symposium sur la promotion de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable, et en même temps le directeur euh, de Global Tour International qui évolue dans l'événementiel institutionnel et dans la communication institutionnelle, dans la sous-région et sur le continent. Alors, comme vous l'avez si bien constaté, Global Tour International évolue dans l'événementiel institutionnel. Nous sommes animé par la forte ambition de réunir des personnes ressources de haute compétence, capables d'animer, d'entreprendre et de proposer surtout des initiatives à fort impact unificateur. Raison pour laquelle nous avons euh, fait appel à des panélistes, des experts en domaine, euh, pour justement traiter un thème très spécial, à savoir la promotion de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable. D'accord euh, Alors, alors l'objectif prioritaire de cet événement, et justement, euh, la réponse est dans votre question, c'est promouvoir l'investissement en Afrique. Vous savez, c'est très, noble. Hein. Euh, euh, après l'instructif forum sur la résilience économique et des stratégies de développement et par la suite le grand rendez-vous des affaires qui a réuni les composants du secteur économique du continent, cette fois-ci nous avons repris date pour lancer le Big Business Meeting qui aura lieu à Londres. Nous avons interpellé des capitaines d'industrie qui évoluent dans des secteurs différents, notamment le secteur de oil and gaz le secteur de l'immobilier, le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme et le secteur du sport. D'accord euh, euh, Pour justement euh, aller faire face justement à d'autres capitaines d'industrie de l'autre côté, hein, au niveau de la Grande-Bretagne. Donc maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, au Sénégal, on parle justement d'exploitation de pétrole en 2024. Donc il est tellement nécessaire justement de réunir surtout les capitaines d'industrie qui évoluent dans ces secteurs pour justement promouvoir l'investissement en Afrique. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté sur le panel, euh, la présence de M. Mezouani, qui est le directeur de l'Agence française de développement et aussi euh, l'expert, l'économiste justement, Dr Khadim Bambadjian, et surtout le directeur général de l'Agence euh, sénégalaise de promotion touristique qui est M. Pape Mawadjouf qui représente dignement le secteur du tourisme. D'accord Vous savez qu'en parlant de l'engagement durable, vous savez qu'on ne peut pas parler de l'engagement durable euh, s'il n'y a pas d'investissement. Et on ne peut pas parler aussi d'investissement s'il n'y a pas d'engagement durable. pap euh, Pape euh, directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique. À, l'invitation de, Global Tour International, qui a organisé cet événement pour parler de l'investissement en Afrique et de l'engagement euh, durable, nous avons voulu euh, présenter les grands atouts euh, de notre pays en tant que destination touristique, c'est vrai, mais aussi en tant que terre attractive pour les investissements. Nous sommes revenus sur l'importance de la réputation de notre pays en tant que d'abord un pays connecté au reste du monde, c'est la pointe occidentale du continent, euh, c'est une terre de paix où les communautés vivent ensemble, euh, en communauté de destin, euh, avec différentes religions, différentes ethnies, différentes origines. Mais le Sénégal reste d'abord le point commun, incontournable, avec un projet national qui, a comme résultat d'être ce pays de paix, de stabilité et de sécurité, où on peut voyager pour des loisirs, on peut voyager pour euh, pour sa religion, on peut voyager également euh, pour investir. Et c'était ça donc euh, l'importance de cette rencontre, en compagnie d'autres profils qui ont d'autres expertises. nous avons échangé sur les opportunités de pouvoir investir sur le continent et spécifiquement au Sénégal. Oui, nous avons parlé du tourisme dans ses différents produits. Nous, nous avons parlé aussi de tourisme dans son avenir et sont présents. Et de ce point de vue, effectivement, nous avons parlé de la digitalisation euh, du secteur, autant euh, euh, dans toute sa chaîne de valeur, finalement, dans sa promotion avec les réseaux sociaux, les influenceurs, mais dans la digitalisation même de l'offre touristique, avec chaque fois permettre la connectivité dans l'expérience touristique même. Euh, à travers les, hôteliers, mais également dans les sites touristiques importants, qu'on puisse y avoir connectivité, Mais c'est à ça que travaille euh, l'État du Sénégal en général. Il faut d'abord féliciter Global Tour International, qui est euh, une organisation qui agit au cœur d'un produit touristique particulier, qui s'appelle le MAIS, c'est le tourisme d'affaires, c'est le tourisme événementiel. L'État du Sénégal a investi énormément pour construire des infrastructures capables euh, d'accueillir de, grands événements internationaux, euh, le congrès euh, du Centre international Abdou Diouf, le Centre international Abdou Diouf, qui a une salle de congrès, salle de conférence, mais également l'hôtel Radisson, le Dakar Arena, et puis le stade Abdoulaye Wade et d'autres infrastructures hôtelières qui vont venir et même événementiels sportifs autour pour faire de Dakar, consolider en tout cas la position de Dakar comme euh, une capitale événementielle. Euh, le, ministère du Tourisme donc travaille à définir une stratégie de promotion des grands événements et à doter au Sénégal euh, d'un bureau de convention qui doit pouvoir nous donner les moyens de pouvoir être dans le marché mondial de l'événementiel, qui, je le rappelle, est un marché énorme qui s'élève à plus de 1000 milliards de dollars. C'est important et l'Afrique ne capte que finalement euh, moins de 1% de ce marché-là et qui, pour l'essentiel, euh, est aujourd'hui, pour l'essentiel, entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. comme dit je suis Mohamed président du comité scientifique ou symposium sur la promotion de l'investissement en Afrique Je suis directeur général Global Tour bi entreprise d'abord boo de ni dafa yëngu ci événementiel institutionnel ak de communication institutionnelle boo leen gisee euh, ginnaaw bi euh, forum sur la résilience économique et des stratégies de développement dem le grand rendez-vous des affaires le 24 le 24 septembre il ñu gën capitaine d'industrie yi nga dans nos ñoo doona bàyyee ko d'activité yu wuute lu le secteur de l'agriculture le secteur de oil and gaz le secteur de l'immobilier le secteur de l'agriculture numérique et le sport et le secteur du tourisme qui nga été ni Global Tour ci lay évoluer panel euh, boo xamante dañ euh, ci li ñu jëm ci li le big business meeting que nga ci ni si nii nar am ci troisième trimestre 2024. big business big business meeting bi ni dañ ci ànd ak ay capitaine d'industrie yi nga xamanteni ci ñom ñom la jot lim légui ni moy ñi nga xamanteni moy ci dans le secteur de de l'immobilier de oil and gaz euh, ak lu ni mel. Euh, tax juk len la moy promouvoir investissement en Afrique plus précisément Sénégal ba tax na euh, ñu jël rendez-vous ak ay capitaine d'industrie yi nga xamante ni ce sont des anglais nar a waxtaan ak ñoom euh, ci ay secteurs yi nga xamante ni ñoom war nañ ci mën a investir ñoom it ñu rafetlu ko euh, jàpp neen date jàpp neen bés moom lañ doon waxtaanee nii ci teewaayu le monsieur Meznaoui le directeur général de l'agence française de développement mi nga xamante ne moo fi teewal réewum France ak ki nga xamante ni si mooy jaloor Thiam mi nga xamante ni tey jii nii moo euh, teew moo teewal euh, madame John mi nga xamante ni moom mooy euh, ambassadeur su ambassade Grande-Bretagne dégg nga ak Khadim Bamba Dia mi nga xamante ni tey jii économie sax xam xam-xam màcc lool ci wàllum économie ak wàllum investissement en Afrique waxtaan ci waxtaan bu am solo di waajal bés bi nga xamante ni mooy le big business meeting bi nga xamante ni ci leen jëm mooy li ma jot a wax nii gis nga gis nga mbir bi leen kase la. xam nga tey jii nii faw euh, euh, promotion investissement en Afrique bi ñuy def secteur public porté ko tey dafa jot le secteur privé jël ko gàddu ko ñun doona bokk ci secteur privé il faut mu leer bokk ñu secteur public jéemuñu ci xaar kenn ñoo ngi dajale le secteur privé ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur yi nga xam ñoom lañ jot a visé ànd ak ñoom dem outil suñuy yi nga xamante ñoom ñoo nekk au niveau de la Grande-Bretagne waxtaan nañ waxtaan jëng ñoom ba pare euh, te it nag ñu ngi ci woo dafa am solo li may waaj wax nii dañ ci woo waa APEX dañ ci woote le secteur public parce que tey jii ne le secteur privé bu jógee ah ak effectivement ay partenaires am ñoom it dañoo war a jóg ñu gunge ñu accompagner ci loolu noonu ndaxte aujourd'hui le secteur privé mënta dem te secteur public gungewu ko le secteur public it mënta dem te le secteur privé accompagne wu donc euh, loolu règle donc bu fekkente ne effectivement dans nar a euh, le secteur économique bu sunu rew faw nak wax deug yalla loxo yep mën cee dugg. damay wat ci li nga xamante mom la jotta wax léegi nii li ñuy wax état bi len kese la ñu rejoindre noble idée bi nga xamante secteur privé de que gadou Global Tour porté ko man mi jité ko ñu ñëw fekk si ñu ci euh, li nga xamanté ci ñom état ñom ñoko ko war def parce que bu ñu naan que ni dañuy promouvoir l'investissement en Afrique bu ñu waxante dëgg rek état moo ko war a porté waaye ñu nit ñu dañu japp ni que ni wax dëgg état rek war tamit a def lépp. dañu juk ñu né ñun dinañ ko porter su bop ñu jema xol nu ñuy euh, ñoŋale effectivement le secteur économique motax nak euh, ñu daal di woo euh, les capitaines d'industrie yi nga xamante ni ñoo ci secteur yi am solo yi ma jot surtout le secteur de oil et gaz mi nga xamante ni xaw fan yi et aussi le secteur du tourisme le secteur de l'agriculture le secteur de l'immobilier le secteur effectivement du sport dafa am solo ndaxte tey jii nii dara Sénégal tey ni bu yagul dara gagné nañu Coupe d'Afrique euh jii nii taxna ba war nañu mëna a ku né ci fune nak nag te loolu dafa am solo ndaxte nak il faut ñu fonk événement ndaxte ci événement ngay gis ñaar ñu musuñoo ñaar ñoo xam ne musuñoo tegante loxo ñu tegante loxo loolu ci événement rek la am yàggul dara ci événement wu euh, Coupe d'Afrique bi nga xamante moom lañ gañ coupe fo euh, d'Afrique bi a gañe nii na laale ci arène politique bi ci no kottante lu ko indi ndaxte événement événement mooy lan mooy gañu Coupe d'Afrique bi événement dafa am solo il faut que ñu soutenir soutenir l'événementiel institutionnel nous faisons partie ci ñi nga xamante ni enrichir le calendrier événementiel u république bi te loolu dafa am solo loolu ma nekkoon samay kàddu dina jaate daje woon ci invitation global tour international ngir ñu waxtaanee euh, investissement ci Afrique euh, te yi tamit investissement boo xam ne dina doon lu durable mooy maanaam day sóoraale tey mais sóoraale yi tamit ndaw ñi ak ëllëgu réew mi ak ëllëg bi nga xam euh, fa la investir de droit bu défendre sa propriété euh, li nga xamné moy mandalgal ci suñu réew mu doon réew mo xamné ñi investir dinañ ci sawara dem di fa investir moy li mu doon réew mu jamm réew mo xamné ne waaso yi diine yi euh, ku nekk ak fa nga joggé dañoo bokk doon benn say bokk benn nation bokk benn bëgg-bëgg loolu mooy d'abord sunu avantage comparatif ci yeneen zone yi am yépp ci biir continent bi Sénégal mun nga fi investir ndax réewu jàmm la la bi position géographique bi nañ centre Europe on est à moins de 5 heures sur l'aéroport bi aéroport euh, une expérience positive pour amener passagers yi suñ fa ba euh, aéroport Afrique yépp japp aéroport Dakar Blaise meilleur aéroport continent bi euh, ak infrastructure yi fi tabax nga nga xam ne en moins de six heures léegi mun nga dem Saint-Louis ak aéroport euh, d'ici peu mun nga demee noonu Ziguinchor d'ici peu mun nga demee noonu gu demee ko Ourossogui loolu dafay yombal investisseur bu ñëw ne dama bëgg a investir ci biir réew mi dafa usine de montage wala lu ni mel dina xam ne transport bi dina yomb ndax grâce aux infrastructures yi nga xam ne moom la ñu loolu yëpp daal waxtaan nañ ci euh, joxe ci suñu xalaat am ñeneen yi tamit ñoom yeneen expérience yu ñu wecceek euh, Euh, ñi nga xam ne ñoo fi teewoon ñuy gërëm bu baax euh, sëñ fàllu Sène mii nga xam ne moo jiite Global Tour International nga xam ne dugguleet nag at bu jot mu investi mu organisé ñaar ba ñetti événement yoo xam ne réew mi la ñuy waxtaanee koom-koomam ëllëgëm ak continent bi mu doon vraiment une jeunesse euh, modèle boo xam ne ñu ñëpp war nañ ci bokk roy ndax bokk nañ ci liy suuxat économie réew mi waaw xam nga tourisme dañ don xalaat tamit ëllëg bi lan la mu bok ci digitalisation tourisme dans toute sa chaîne de valeur ah, nga xamné expérience tourisme ci réew mi digital daf ko wara a marqué ci site touristique yi euh, ci hôtel yi euh, bon ba toute la chaîne loolu bok na ci li nga xamné dina don li mandargal euh, avenir du tourisme Ñaarel bi japp nañ né tamit le tourisme d'affaires moy tourisme événementiel di organiser ay xew-xew yu reuy ci réew mi di fi dajé nga 2026 Sénégal dina accueillir euh, loolu nga xamné Jeux olympiques de la jeunesse muy goulet sur le continent africain euh, nga xamné Dakar le Légui, euh, centre international de conférence Abdou Diouf le stade le Abdoulaye Wade le Dakar Arena ak hôtel yi nga xamné ñu autour le mandat l'État du Sénégal a ngi des moyens pour pouvoir euh, donner euh, capital au tourisme d'affaires et au tourisme événementiel bi nga le Global Tour International ci lay Nous ñu développer ce li bureau de convention et doter aussi euh, une stratégie qui de permettre ñu promouvoir Sénégal tourisme événementiel et le tourisme d'affaires Merci.